le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou 18h passé de 15 minutes dans le studio Kalangou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangou qui sont diffusés en direct par l'ensemble de nos radios partenaires dans toutes les huit régions du Niger. Aujourd'hui, le forum de Studio Kalangou a pour thème place et rôle de la femme nigérienne dans les services de la sécurité intérieure. Les questions militaires et l'intégration de citoyens dans les forces armées ont longtemps été considérées comme des domaines réservés à la seule population masculine. Mais de plus en plus de femmes intègrent l'armée. C'est le cas au Niger où l'on a une assez bonne représentation de la femme de la garde nationale qui compte 431 femmes et la police nationale avec à peu près 12% de femmes. Alors, quelle est la place actuelle de la femme au sein des forces de sécurité intérieure du Niger Quel rôle joue-t-elle Quelles sont les contraintes liées à la condition féminine au sein de ces forces de sécurité intérieure quels sont les enjeux et avantages liés à la féminisation des forces de sécurité intérieure du Niger Comment promouvoir ces femmes dans ces différents services Autant de questions et à bien d'autres que nous tenterons de trouver réponse au cours des 45 minutes à venir. Pour cela, nous avons dans ce studio le commandant Boujara Boukari de la garde nationale. Bonsoir à vous, commandant. Ah, bonsoir. Nafisa, Madame Nafisa Seni, garde nationale, bonsoir. Et nous avons au bout de la ligne le commissaire Fanami Mariama de la police nationale. À la présentation, c'est Nafis Adam Sirfo. Merci, chers invités, d'être venus. Avant d'entamer euh, ce débat, je vous laisse euh, quelques minutes pour nous présenter les différentes institutions que vous représentez et leur mission. Monsieur le commandant, présentez-nous la garde nationale. Oui, je suis le commandant Bouja Boukari, DRH de la garde nationale du Niger. Directeur des ressources humaines. Oui, directeur Les sujets que vous évoquez concernent euh, la formation, la place des femmes dans les sécurités intérieures. Effectivement. Donc à la garde, nous avons 431 personnels féminins qui représentent à 4,37%. Bon, euh, l'émission de la garde nationale d'abord, mhm. toutes les questions qui concernent la sécurité, la défense et la construction concernent la garde nationale. Donc euh, nous avons beaucoup d'émissions avec la police, la gendarmerie, le force de défense et de sécurité. Si vous remarquez, moi je suis un officier mhm. de la garde, mais j'ai été formé à Koulikoro sous la bannière des forces armées nationales nigériennes. Donc j'ai reçu une formation purement militaire, mais je travaille à, l'intérieur et il y a beaucoup d'officiers qui sont comme ça et qui reçoivent la même formation. Donc c'est pour la sécurité et la défense euh, du Niger, en tenant compte aussi du développement il y a des actions de développement que nous, nous menons aussi. D'accord. Et il y a le personnel féminin et le personnel masculin au sein de la garde nationale. Oui, il y a le personnel euh, féminin et puis il y a le personnel masculin. D'accord. Donc, euh, je ne sais pas si après on va parler de leur euh, méthode de recrutement. Effectivement, nous allons venir à cette question. Comme je vous le disais, nous avons au bout de la ligne Madame Fanami Mariama, commissaire à la police nationale. Bonsoir, Madame. Oui, bonjour, vous allez bien Bonsoir, madame. Euh, merci de rester au bout de la ligne au cours de ces 45 minutes. Donc, euh, comme vous l'avez si bien entendu, aujourd'hui, nous parlons de la place et le rôle de la femme nigérienne au sein des services de sécurité intérieure euh, du Niger et vous en êtes une. Vous êtes commissaire à la police nationale. La police nationale, présentez-nous la police nationale. Quelle est la mission de, ce, de la police nationale Bonjour à tous. Euh, je suis le commissaire de police Fanami Mariama. Mhm, donc, euh, je suis au, niveau du commissariat central. Donc, la police nationale, euh, c'est une institution qui est chargée police administrative et judiciaire. Donc, la police a pour mission assurer la sécurité en fait des personnes et des contrôler, faire respecter la loi et empêcher ou disperser tout attroupement euh, entre autres, veiller à la sécurité des biens et installations de la ville, de la ville de Niamey. Donc, euh, les deux principales, si je peux me résumer, en fait, les deux principales euh, missions, c'est la police administrative et judiciaire. D'accord, merci à vous. Et donc, euh, la garde nationale, la police nationale, la gendarmerie nationale sont trois forces qui constituent les forces de sécurité intérieure du Niger. Et tous ces services, on sait qui ont aujourd'hui euh, à leur sein des femmes. Dites-nous, quelle est la situation euh, actuelle du jardin au sein de la police nationale Au sein de la police nationale, en fait, le JAR occupe une grande place elle occupe une grande place parce que euh, il y a quelques années de cela, euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas de poste de responsabilité attribué aux femmes. Mais actuellement, les choses ont tendance à changer puisqu'on a pas mal de femmes qui ont des postes de responsabilité. Donc il y a une nette évolution par rapport aux années antérieures. Et les femmes sont prises en considération en fait au sein de la police. Oui, et qu'est-ce qui a amené cela Qu'est-ce qui a fait que maintenant les femmes sont pleinement impliquées Qu'est-ce qui a amené cela vous savez, la police n'est pas en arrière avec l'évolution. Donc le monde change, le monde évolue. Donc la police va euh, évoluer aussi avec euh, le monde qui est peu perpétuel changement. Et vous savez, dans toutes choses, pour que, la, pour que toute chose marche bien comme ça se doit, il faut la place d'une femme. Et comme on le dit, on a tendance à le dire, derrière un grand homme, il y a toujours une femme qui, se cache. Donc euh, maintenant aussi, si on regarde le contexte actuel, euh, la criminalité aussi a changé. Donc, ce qui fait qu'il faut nécessairement la présence de la femme au sein de la police pour pallier à certaines, à certaines euh, criminalités. D'accord. Et, l'avènement même de la femme au sein de la police nationale, est-ce qu'on peut revenir un peu sur euh, les débuts Quand est-ce que la femme a commencé à intégrer la, garde, la police nationale autant pour moi donc la police, en fait, la femme a commencé à intégrer la police vers les années 80 je connais, euh, j'ai pas la date, euh, l'année exacte, mais c'est au niveau de, au, début des années 80 que la police a commencé à, à, recruter des femmes. Sinon, moi personnellement, euh, je suis venue à la police en 2010. Donc bien avant que je ne vienne, j'ai trouvé des anciens qui sont là. Ils doit en avoir une dizaine, à peu près 7 à 8 qui étaient là et qui ont commencé officiers et qui sont devenus aussi des commissaires qui ont des postes de responsabilité. D'autres sont dans les institutions internationales. Et vous êtes arrivé à la police nationale en 2010, c'est après le bac ou bien comment vous êtes arrivé là-bas et qu'est-ce qui a vraiment qui a été vos motivations, qu'est-ce qui vous a motivé à intégrer la police euh, en fait, euh, je suis arrivée à la police après le master. J'avais des master 2. J'avais un master 2 et la maîtrise et un master 1 aussi. Donc j'ai postulé, en fait, j'ai passé le concours, le test de commissaire de police. Parce que pour avoir, euh, pour passer le test de commissaire de police, il faut avoir le niveau bac plus 4. Donc, c'est qui m'a motivé. J'ai un jeune frère qui m'a motivé, en fait, qui m'a poussé à venir à la police. Et bien avant ça, en fait, il y a le port de la tenue qui me plaisait. Quand je vois une femme en tenue, que ce soit à la police ou euh, à la garde ou à la gendarmerie, l'essentiel, que quand je vois une femme en tenue, je suis en fait, ça me plaît. C'est ce qui a fait, qui m'a beaucoup, beaucoup plus poussé. Et aussi, l'aide d'un de mes frères. D'accord. Et donc, restez toujours en ligne, madame. Nous allons poursuivre cette émission. Commandant Boujar Boukari, vous êtes le directeur des ressources humaines à la garde nationale. Dites-nous, au sein de la garde nationale, en quelle année les femmes ont commencé à intégrer la garde nationale La première promotion des féminins, c'est en 2004. 2004. Avec 25 filles qui avait suivi une formation militaire de 9 mois mhm. avec les garçons dans les mêmes conditions. 25 mhm. filles, la première promotion est arrivée avec 25 euh, filles. Et actuellement, vous avez euh, combien L'effectif est à combien 431. 431. L'effectif a évolué. Il a évolué et mhm. puis suivant des cadres. Donc, euh, il y a des personnels qui ont été recrutés sur la base de leur spécialité. Exemple, celles qui sont au service de santé, Mhm. Oui, justement, quelles sont les mesures d'intégration à la garde nationale Les mesures d'intégration, c'est que d'abord, euh, il y a des critères qu'il faut respecter. Mhm. Il y a des conditions physiques qu'il faut respecter. Mhm. Avant tout, c'est là la santé d'abord. Et quels sont ces critères, ces conditions physiques Ces critères-là, donc le statut de la garde, d'abord respecte la Constitution. Il faut que la place ait sa place Parmi ces critères, l'ordonnance numéro 2010-61 17 octobre 2010 portant statut du personnel du cadre autonome de la garde nationale d'Injar. Mhm. Dans ces, dans ces statuts, on parle de personnel féminin. Mhm. Voilà, article 140, outre les conditions générales fixées à l'article 15 du présent statut, le garde national se recrute par concours direct parmi les Nigériens de deux sexes. Concours direct, oui. Titulaire du BPC mhm. et de tout autre diplôme reconnu équivalent remplissant les conditions ci-après. Mhm, mhm. Être âgé de 20 ans au moins et de 25 ans au plus pour les candidats de sexe masculin et de 18 ans au moins et 23 ans au plus pour les candidats de sexe féminin voyez déjà ici, les années changent. Donc la limite d'âge peut être prolongée jusqu'à 27 ans pour les anciens militaires et 28 ans pour les spécialistes. Mhm. C'est ce que dit la, les, textes. c'est ce que disent les textes. donc, euh, même des anciens militaires, nous, on peut les recruter. D'accord. Euh, comment dirais-je, l'effectif, il est satisfaisant à la date d'aujourd'hui. Oh. De 25 à 431 aujourd'hui, on voit une nette euh, progression de l'arrivée des femmes au sein de la garde nationale. Madame Seini, Madame Sani Nafisa, vous êtes euh, garde nationale. Vous êtes arrivée à la garde nationale. Vous êtes de quelle promotion déjà Je suis de la promotion 2014. 2014, tout, récemment, il y a. Tout récemment, six ans de cela. il y a six ans de cela. Et qu'est-ce qui vous a vraiment réellement motivé à, aller à la garde nationale la garde nationale depuis bas âge, c'est ma passion, c'est ce mhm. que je mets depuis que j'étais petite. Mhm. J'ai toujours rêvé porter la tenue. Vous avez toujours. C'était un rêve d'enfant. C'était un rêve d'enfant, effectivement. Qui s'est réalisé. Qui s'est réalisé, oui. D'accord. Et donc, à la date d'aujourd'hui, euh, on sait qu'au sein de la garde des forces de défense, il y a des grades. Mm. vous avez quel grade aujourd'hui Pour le moment, je n'ai pas de grade, mais j'attends pour bientôt, Inch'Allah. Une promotion Oui. Et donc, et donc, la promotion, euh, vous aurez à suivre une formation ou bien Effectivement, effectivement. Actuellement, vous êtes, vous suivez une formation Non, non, non. Je suis actuellement, je suis au service euh, des sports, mhm. direction de l'information et des relations publiques. Mhm. Je suis sportive en même temps, je suis arbitre international de football féminin. Mhm. Et tout ça, c'est grâce à la garde nationale. Autant de tâches. Euh, <laughs> Effectivement. D'accord, Madame la <laughs> commissaire, vous êtes toujours au bout de la ligne Oui. Vous êtes commissaire euh, aujourd'hui, vous êtes euh, commissaire au sein de la police nationale. Comment vous arrivez à. Qu'est-ce que vous. Quelles sont les tâches que vous accomplissez vraiment actuellement aujourd'hui au sein de la police nationale oui, euh, actuellement, au, niveau du poste que j'occupe, euh, donc, euh, je suis le chef SPGA, donc service de police judiciaire et administrative au niveau du commissariat central. Donc, le poste que j'occupe, en fait, je m'occupe des affaires administratives et de, la police judiciaire sur toute l'étendue de la ville de Miami. Donc, je m'occupe pas comme il s'agit dit, de la légalisation, euh, de l'établissement des cartes, enfin de la signature des cartes d'identité nationale. Et en matière judiciaire, euh, on établit des procédures et après avoir fini toute l'enquête, la procédure est, transférée au niveau du parquet. Si, donc, si on comprend bien, vous êtes euh, au sein d'un service et vous n'avez jamais été sur le terrain si ça nous appelle à aller sur le terrain aussi. Donc, euh, euh, en cas de. Bon, pour les manifestations, non, on n'est pas spécialiste en ça. Donc, là, c'est la compagnie qui est spécialiste en ça. Mhm. Mais tout ce qui est matière d'interpellation, euh, de découverte de cadavres, ou bien s'il y a des cas d'incendie, donc quand l'enquête peut nous amener sur le terrain, on peut se déplacer pour aller sur le terrain. Sinon, euh, par exemple, quand j'étais à la PJ, parce que j'étais à la PJ avant de venir ici euh, au niveau de la direction de la police de la ville de Niamey. À la PJ, euh, j'étais chef de division menace et protection des mineurs. Donc, ce qui faisait que pratiquement, un jour sur deux, on est sur le terrain, on fait le contrôle des débits de boissons et lors des opérations des rafles. au niveau des mœurs, on, se déplace sur le terrain. on fait des vérifications et tout ce qui s'ensuit, en fait. Et en tant que femme, comment vous arrivez à accomplir cette tâche Est-ce facile pour vous oh, en tant que femme, euh, femme mariée, c'est pas du tout facile, mais quand même, euh, quand il y a la volonté, rien n'est impossible. Restez toujours à l'écoute, madame, le temps de donner la parole au commandant Boujard. le commandant, on sait qu'aujourd'hui, la féminisation des forces de défense et de sécurité est de nos jours réelle ici au Niger, comme dans plusieurs autres pays. Selon vous, quels sont les enjeux vraiment autour de cette féminisation au sein de ces forces de défense de sécurité Bon, moi, à, mon niveau, je trouve qu'on est même resté en retard. J'ai eu toujours des débats avec des collègues de des officiers, des sous-officiers, mhm. qui eux, c'est le contraire. Mais moi, j'ai fait ma formation militaire avec trois personnels féminins mhm. et qui sont des Maliennes et des Ivoiriennes. Mhm. Donc, euh, comme l'a dit un responsable politique français, on n'est pas femme, on le devient. Donc, c'est le comportement. On sait qu'aujourd'hui, le comportement de la femme nigérienne est en train de changer carrément en train de changer. Donc, euh, si on comprend, euh, on est en retard, bien que à la date d'aujourd'hui, euh, l'effectif des femmes soit vraiment en hausse dans les, différentes, dans les différents services. Oui, parce qu'il y a des services là où elles peuvent très bien travailler. Mhm. moi, aujourd'hui, au Niger, grâce au service de santé de la Garde nationale du Niger, je suis très, très content. Mhm. Il y a des endroits où personne ne peut se trouver, mais on trouve des personnels féminins là-bas, à côté de la préfecture donc en train de soigner euh, les citoyens, pas seulement les gardes, de soigner tous les citoyens, c'est les, euh, personnel féminin garde. Et au sein de la mm. garde nationale, quels sont les différents services au sein desquels les femmes sont reparties Les différents services Moi, je crois que en tant que DRH, les femmes sont représentées dans tous les services. Dans tous les services. Oui, tout à l'heure, je crois qu'on a dit avocation judiciaire. Nous, on a des services à vocation judiciaire. Mm-hmm la brigade des pistes, c'est un service, à défaut de la police ou de la gendarmerie, donc euh, il pose des opérations judiciaires. Mmh, mmh, mmh. Les GMO, le groupement de maintien et de l'ordre, quand il y a un mouvement, si c'est les femmes, il y a un personnel féminin qui s'occupe des questions qu'il fallait faire. Et puis le GIS, groupement d'intervention de sécurité, qui est un service euh, très bien apprécié vraiment pour la sécurité, autour mhm. des personnes féminines vraiment aguerris pour mener certaines, certaines tâches. Certaines tâches. Effectivement. Et comment vous analysez la prestation de ces femmes Est-ce que vous pensez qu'elles sont à la hauteur En tant que DRH, quand vous ne travaillez pas, moi je reçois ça chaque matin. Mhm. Soit c'est des punitions, soit c'est des avancements. <laughs> Mhm. Vraiment, je suis très très content du travail qu'ils sont en train de faire. D'accord. Elles sont en train de faire un travail dans des zones là où parfois c'est difficile de vivre mais elle garde le courage. Mhm, mhm. Je crois qu'elle, elle peut parler de certaines difficultés. Justement, nous allons venir à cela, les obstacles. Et donc, euh, Madame Nafissa vous êtes garde nationale aujourd'hui. Euh, selon vous, quel... qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez tiré, ou bien quels sont les avantages que vous voyez autour de, de votre présence au sein d'une force de défense actuellement Oui, comme je vous l'ai dit, mhm. je suis sportive je suis à la direction de sport. Moi, mon métier au sein de la garde, c'est le sport. C'est le sport au sein de la garde. Au sein de la garde. J'ai été recrutée à base de ça. Ah, vous comme avez... ce que, oui, comme ce que mon commandant venait de vous dire, mhm. qu'il y a celles qui ont été recrutées à base de leur spécialité. Effectivement. Effectivement, c'est de ça aussi, moi aussi, j'ai été et outre, oui, et outre le sport, vous n'envisagez pas, euh, comment dirais-je, à aborder autre chose que le sport Bon, même le sport, c'est un métier. C'est un métier au sein de la garde. Mhm, mhm. avant de venir à la garde, j'ai étudié à l'Institut de sport. J'étais à l'INGS, mhm. promotion 2007-2010. Et c'était après ça, après mon service civique, que je suis venue à la garde. Hmm. Comme je vous l'ai dit, c'était un rêve d'enfant, hmm, hmm, effectivement. Et comment vous analysez euh, la prestation ou bien la situation de vos autres camarades femmes au sein de la garde Est-ce qu'elles arrivent à accomplir à bien leurs tâches Est-ce qu'elles sont Comment vous analysez la situation Oui, chacun, chacun a son travail là-bas, comme je viens de vous dire. Côté sport, côté santé, DRH, tout le monde. Mhm, mhm. tout le monde. Vraiment, on est bien là-bas. Les femmes, on n'a pas de problème au niveau de la garde. D'accord. Donc, euh, Madame la commissaire. Oui. D'accord. De par euh, certains constats sur le terrain au Niger, euh, on constate que les femmes n'arrivent toujours pas à s'approprier les postes réservés à leur intention au sein de l'armée. au, niveau de la police nationale, est-ce que euh, la police nationale a actuellement beaucoup de femmes officiers, si on peut le dire donc, euh, au sein de la police nationale, en fait, euh, les femmes représentent 12% de la police nationale. Et entre autres, nous avons 12 femmes commissaires, 15 femmes officiers, et le reste, c'est les inspectrices et les gardiens de la paix. Donc, comment vous expliquez la situation Qu'est-ce qui fait que euh, dans certains services, les femmes n'arrivent pas à être intégrées, à être impliquées, si je peux le dire pleinement, dans les décisions, les prises de décision euh, en fait, on ne peut pas dire que les femmes ne sont pas impliquées. Dans tous les services, les femmes sont impliquées. Bien qu'il y a quelques-unes de femmes, certaines femmes, qui refusent personnellement de s'impliquer dans le travail. Sinon, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de femme qui, n'est pas impliquée dans le service dans les différents de la police. Elles sont toutes impliquées, sauf si elles refusent d'avoir la volontaire, c'est qu'on leur demande. Et quels sont les obstacles auxquels elles font face généralement, que vous faites face généralement euh, moi, personnellement, en fait, il n'y a pas d'obstacle devant moi. que jusque-là, je n'ai pas eu d'obstacle par rapport à ce que je fais comme travail. Tout ce que je pose comme acte, je rencontre. Comme vous savez, euh, la police est encore hiérarchisée. Donc avant de poser un acte, ou dès que vous posez un acte, vous vous rendez compte. Le compte rendu doit être systématique et automatique. Alors, euh, avant de poursuivre cette émission, je vous propose euh, d'écouter la secrétaire permanente du cadre consultatif nigérien des enfants et jeunes qui, selon elle, la faute euh, revient à certaines pratiques socioculturelles qui délimitent le travail des femmes, ce qui fait que les femmes n'arrivent ne pas à s'approprier des postes réservés à leur intention au sein de l'armée. Je vous propose de l'écouter. Vous savez, il y a des pratiques socioculturelles qui, déjà pour certains postes, les voient comme si c'est des postes qui sont uniquement réservés aux hommes. Et jusque-là, les femmes n'arrivent pas vraiment à s'approprier certains postes avec toute euh, l'éveil de conscience. Lorsqu'il dit qu'il y a des postes qui sont réservé aux femmes et que les femmes refusent. C'est à savoir aussi, est-ce que les femmes qui sont déjà dans l'armée sont en train d'être promues Notre lutte, c'est de faire comprendre que dans le domaine professionnel, nous pouvons faire la même chose que les hommes aussi sont en train de faire. Ceux qui ne sont pas encore dans l'armée, si elles voient que celles qui sont déjà dedans occupent des postes importants, on leur confie des missions qui sont vraiment importantes cela peut les pousser à vouloir faire carrière dans l'armée. Mhm. Madame la commissaire, oui, je suis là. Mhm. Vous avez entendu l'intervention de la secrétaire permanente du cadre consultatif nigérien qui explique que c'est à cause de certaines euh, pratiques socio-culturelles euh, que le travail des femmes est souvent euh, limité. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette intervention Êtes-vous d'avis euh, je suis tout à fait d'avis avec elle, en fait. Mais je crois que maintenant, en fait, les choses ont tendance à changer. Elle devrait au moins parler de ça, que les choses ont tendance à euh, parler et à, changer, pardon. Parce qu'avant, là, vous savez, euh, la voit mal une femme euh, portant de tenue. Et mais maintenant, je vois, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de femmes qui, qui postulent. Sauf que pas mal d'entre elles n'admettent pas. Parce que je ne vous apprends rien de nouveau avec euh, le taux de scolarisation de la femme qui est un peu faible. Donc, et qui n'arrive pas à un certain niveau parce que pour être dans la police, il faut au, moins le brevet. Donc, il y a pas mal de femmes qui n'arrivent pas à atteindre ce niveau. Les, parents préfèrent que la femme euh, soit mariée ou qu'elle aide à la maison au lieu d'aller à l'école et évoluer dans sa scolarité le plus grand frein, en fait. Et quelle est la relation entre le personnel féminin et le personnel masculin Est-ce que vous ne rencontrez pas de difficultés euh, vous savez, moi, euh, en tant que chef, parce que moi, j'ai à peu près 35 agents. Donc, euh, parmi les 35 agents, j'ai juste 5 femmes. Tout le reste, c'est des hommes. Et, au tout début, en fait, euh, les hommes, surtout les anciens, ils conçoivent mal qu'une jeune et de ce quoi une femme vient leur dicter leur conduite, enfin la conduite à tenir. Ils ont du mal à accepter ça, mais avec le temps, euh, à force de travailler, de voir les choses, euh, ils ont fini par accepter. Non, j'ai pas de problème actuellement avec les hommes. Alors, Madame Nafisa Sani, quelles sont les difficultés que vous rencontrez le plus souvent dans votre travail moi, personnellement, je ne rencontre pas de difficultés vu que je suis mariée et mon mari aussi, il est garde comme moi. Mhm. On travaille dans le même service. Donc presque on a le même travail, on n'a pas de problème. Vous n'avez aucun problème. Et la relation entre euh, personnel homme et femme, comment vous, vous la voyez au sein de la garde nationale Au sein de la garde nationale, euh, chacun fait son travail. On n'a pas de relation homme et femme. Est-ce que les hommes ne vous, je sais pas, pas stigmatisés, ne vous sous-estiment pas, genre euh, ce que l'homme peut faire, la femme ne peut pas le faire Est-ce que cette... Euh, eh, non, il n'y a pas de ça parce qu'on a reçu la même formation. Mhm. Effectivement, au cours de la formation, il n'y a pas de différence. Tu es femme tu es homme. là. Mhm. C'est la même chose, on reçoit même depuis la base. Ok. Mhm, Commandant Boujard, euh, après l'intervention euh, tout de suite de la secrétaire permanente du cadre consultatif nigérien qui parlait des aspects des pratiques socioculturelles au sein de la garde nationale, est-ce que euh, la femme est vraiment impliquée pleinement dans, la prise de décision Bon, donc, je remercie la dame du. Vous dites. La, secrétaire permanente du cadre consultatif nigérien des enfants et. Oui, elle évoque un problème général, euh, la société nigérienne ne peut pas changer d'un coup. Mhm. Ça évolue. Donc, euh, de la même manière, les différents corps que nous représentons, nous évoluons en suivant le mouvement du monde. Mhm. Et nous avons aujourd'hui des personnels féminins qui ont étudié, qui savent ce qu'elles cherchent. Mhm. Donc, euh, elles travaillent très bien. Elles cherchent à évoluer dans leur travail. Même si parfois il y a des difficultés liées à des situations générales. Mhm. Donc, euh, ça, là, je pense que ce n'est pas, c'est pas un problème. Est-ce que vous avez d'exemples de femmes euh, qui, aujourd'hui, on peut citer être à la, à la tête d'un, je sais pas, d'un poste ou bien... Oui, j'ai deux officiers. Mhm. Un personnel féminin qui s'appelle euh, le lieutenant Hawa Oru, donc euh, dans le cadre de son travail. D'abord, elle est guérie dans le cadre du travail. Mhm. Deuxièmement, elle est mariée à un cadre, donc le cadre-là n'est pas gêné. Mhm, mhm. J'ai un autre euh, personnel féminin qui est lieutenant. Elle aussi, c'est la même chose. Donc les autres féminins sont en train de regarder on peut faire les services sans que les maris ne soient tellement gênés. Mhm. Et c'est ça qui, nous avantage. Mhm. Et au sein de la garde nationale, qu'est-ce qui est fait vraiment pour vraiment euh, assurer une promotion à ces femmes-là pour, pour avancer Est-ce qu'il y a des formations qui sont faites pour l'avancement des femmes au sein de la garde nationale D'abord, euh, nous suivons ce que les textes nigériens disent. Donc elles sont soumises aux mêmes rigueurs du statut de la garde. Mhm. Qu'est-ce que les textes la disent Dans ces textes-là, euh, il faut l'entretien physique, l'entretien sanitaire et la formation. Mhm. Et il faut être assidu et régulier à son service. Mhm. Donc, quand vous avez un service, ne faut pas que vous promenez vers les petits marchés ou les grands marchés aux aires du service. Mhm. Nous, chez nous, les rassemblements, c'est vraiment quelque chose auquel il faut participer régulièrement pour un contrôle, le contrôle des services. Chaque chef de service mhm. doit savoir chaque jour un tel élément est venu, un tel événement est Il doit savoir à tout moment là où se trouve son élément. Mhm, donc c'est ça qui fait qu'au moins ça, on l'a assuré et elles-mêmes, elles nous ont aidé à le faire. Si, vous avez un problème, moi par exemple, à mon service, si un personnel féminin a un problème, je l'écoute, je peux lui donner 30 minutes, une heure de temps pour un problème, elle revient. Mhm. Mais pour une journée, j'ai dit écrivez au haut commandant de la garde nationale et dites les raisons pour lesquelles vous allez vous absenter pour une journée. Mhm. Parce que je peux lui donner la permission et puis un incident ou un accident peut intervenir. Mhm. Donc, euh, et, on dit, est-ce que vous avez appelé votre mari pour lui dire que vous venez de quitter les services Effectivement. Parce qu'en passant, il ne faut pas que votre mari voit de quel côté, il voit croire que non, vous ne, venez pas au service. D'accord. Qu'elle soit régulièrement en contact avec leur mari dans leur déplacement. Mm-hmm. Et dans les, différentes, euh, dans les différents services, euh, ces femmes sont très bien représentées et accomplissent bien leur travail. D'accord. Commandant, commissaire Fanami, Selon vous, quel doit être réellement le rôle que la femme doit jouer au sein de, ses forces de défense Est-ce qu'elle doit se limiter à ce qu'elle est femme, elle ne doit pas effectuer d'autres tâches que masculines Quel est réellement le rôle de la femme qu'elle doit effectuer en fait, euh, la femme doit s'impliquer à 100% dans le travail. Le travail qu'un homme peut faire là, la femme aussi doit s'impliquer, doit faire le même travail que, parce que lors des recrutements, en fait, on subit tous les mêmes tests. La formation physique, il n'y a pas une distinction. D'ailleurs, dans le jargon militaire même, il n'y a pas de féminin. On ne peut pas dire inspectrice ou bien euh, officier ou dame, tout est masculinisé. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu une distinction entre l'homme et la femme. Ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut faire ça. Et elle doit s'impliquer elle doit s'impliquer pleinement pour faire le travail. Et au sein de la police nationale, qu'est-ce qui est fait euh, pour vraiment booster ces femmes-là à s'impliquer davantage dans les différentes, euh, dans les différentes tâches quest -ce, qui est fait euh, ce qui est fait, en fait, que maintenant, ces dernières années, on a tendance à voir qu'on donne des postes de responsabilité aux femmes. Parce que moi, le poste que j'occupe là, en fait, je suis la première dame commissaire a occupé ce poste. Il y a quelques années de cela, euh, il y a eu une dame officier, pas sans savoir euh, que là, elle est actuellement à la retraite, mais quand même, elle a laissé ses marques. C'était la seule femme qui avait occupé ce poste, mais en ce moment là elle avait le grade d'officier. Je parle du commissaire divisionnaire euh, Maria Abdoua, mhm. qui, même parmi les hommes, il y a des hommes qu'elle dépasse quand on parle d'elle jusque-là, euh, dans les endroits où elle a servi, il y a des gens qui tremblent quand même. oui Oui, continuez, on vous, écoute. oui, donc euh, nous, en tant que femmes, en fait, elle nous sert de modèle. C'est notre maman, c'est notre tante, mais moi, euh, je m'inspire d'elle pour avancer. C'est un modèle, c'est vraiment un modèle pour moi. Et c'est même pour mes consoeurs, en fait, mes collègues féminins aussi, c'est vraiment un modèle. Et on aimerait bien vraiment euh, emboîter le pas. C'est un bon exemple qu'elle a donné et qu'elle a laissé. Elle a laissé pas mal de choses dans la police et on a tendance aussi à suivre ça. Et vous êtes actuellement euh, à peu près combien de femmes commissaires, si on peut le dire, à, la police nationale Vous êtes nombreuses, c'est ça oh, tout à l'heure, je disais, on est au nombre de, on au nombre, de 12. On n'est pas si nombreuses que ça parce que moi, je me dis que jusque-là, il y a beaucoup de, ça reste beaucoup à faire. Parce que 12, euh, commissaires féminins. Euh, le euh, pourcentage n'est pas respecté donc non, ce n'est pas respecté parce que si on prend les hommes, ils font pratiquement notre triple ou quadruple même. Hein. Mhm, mhm, mhm. Et donc, qu'est-ce qui doit être fait pour vraiment, pour, pour, vraiment respecter ce quota, si on peut le dire En fait, c'est inciter les femmes à aller de l'avant les, pousser à aller de l'avant et recruter aussi beaucoup de femmes. C'est vrai qu'il y a un taux, il y a un pourcentage, mais ce n'est pas pourquoi, en fait, les femmes ont tendance à avoir peur de, postuler, en fait, de, passer le test. Donc, c'est ce qui fait qu'on a un manquant de, policiers, en fait, de commissaires femmes. Parce que les gens préfèrent, on se dit qu'en fait, si on dépose le dossier comme un commissaire, on n'a pas de chance de passer, on préfère être inspectrice ou être un euh, officier. Alors que non, ce n'est pas le cas. Merci à vous. Restez toujours à la ligne. Nous sommes euh, presque à la fin. Euh, Madame Nafissa, quel est votre plus grand rêve que vous aimeriez accomplir au sein de cette force, au sein de l'armée Mon plus grand rêve, c'est d'avoir le galon. Le galon. Effectivement. Mhm. Et ça, Inch'Allah, ça viendra. D'accord. Et, que, et, comment, comment vous, qu'est-ce que vous faites actuellement pour vraiment venir, pour vraiment réaliser ce rêve-là Est-ce que euh, vous allez vous limiter au sport Vous allez suivre des formations, tout ça Non, je suivrai, Inch'Allah, des formations. Comme je vous l'ai dit, que je suis venu au sein de la garde en tant que spécialiste. Mhm. Et ça aussi, ça peut changer à tout moment. Comme je vous disais que je suis sportive, je peux changer aussi d'option. Mm-hmm, mm-hmm. Oui, je peux revenir effectivement à la santé ou à la secrétariat, des choses comme ça. Ça peut, ça peut, tout, ça peut changer à tout moment. Mm-hmm, C'est ça on dit au sein du corps, ça peut changer. D'accord. Effectivement. <laughs> Commandant Bouja, euh, qu'est-ce, qui doit être fait vraiment davantage pour... Euh, amener les femmes à, à intégrer les forces d'armée nigériennes Il faut qu'au niveau de leur famille, qu'on les encourage. Au niveau de leurs sœurs qui sont dans les quartiers, de les encourager. Mhm. Parce que aujourd'hui, quand on voit les femmes au Niger, elles sont majoritaires, mhm. elles sont très nombreuses. Presque c'est elles qui entretiennent toutes les familles. Mhm. Donc, euh, dans tous les services militaires, des services de sécurité intérieure, tous les postes qu'elles peuvent occuper, tels que la comptabilité, le secrétariat, les services de santé, vraiment, on doit les encourager. Mhm. Et selon vous, quel est vraiment l'avantage, quel est l'avantage d'avoir des femmes, de la féminisation des, forces de défense Quel est vraiment l'avantage, le premier avantage Je vais vous donner un exemple. J'étais en mission à 900 km de Niamey à Ile-Liban J'étais chef de mission. Mhm. Donc j'avais mon service de santé, mais il y a un villageois qui venait avec sa femme qui est malade. Le problème, c'est que j'ai trois agents de santé. Le gars, il a refusé que l'homme euh, touche à, sa femme. <laughs> Donc ça, au moins, il y a des endroits là où c'est vraiment leur rôle de jouer ce rôle-là. Mhm. Quand il s'agit des femmes, c'est à eux de s'approcher. Comme ça, vraiment, ça peut... <laughs> Euh, maintenant, au niveau des maintiens de l'ordre, c'est la même chose. Tout ce mhm. que la police fait, la gendarmerie par rapport aux femmes. Donc, mhm. il faut euh, un agent euh, qui, a fait le métier, qui connaît comment faire. Mhm, D'accord. Donc, nous sommes presque à la fin de cette émission. Madame Fanami Mariama, vous êtes commissaire au sein de la garde nationale de la police, autant pour moi. Et donc, euh, pour finir, vraiment, selon vous, euh, qu'est-ce qui doit être fait davantage pour amener les femmes à s'intéresser vraiment euh, aux forces de défense de sécurité et même celles qui sont au sein de ces forces de sécurité à prendre les décisions comme ils le veulent oui, déjà euh, à la base, euh, comme l'a dit le commandant Mouja, donc euh, il va falloir sensibiliser la famille pour qu'elle laisse leurs enfants aller passer les tests et les tests des FDS quoi, puisque je ne parle pas de la police seulement, ça peut être des gendarmes, des, gardes aussi. Et une fois au sein du corps, les supérieurs hiérarchiques doivent pousser la femme à s'investir davantage aller de l'avant. Il faut qu'il encourage la femme. Parce qu'il y a des gens, des hommes qui disent qu'une femme, elle ne va pas se déclarer, elle ne va pas faire. Non. Ça, même si elle a la volonté de faire quelque chose, de fait d'entendre ça a découragé. Donc, ce que je demande, je les hommes à pousser les femmes à aller de l'avant et à les aider aussi. Merci donc à vous, Madame euh, Fanami Mariama. Je rappelle que vous êtes euh, commissaire au sein de la police nationale. Merci d'être euh, restée en ligne pour intervenir au cours de cette émission. À très bientôt. Donc, je reviens dans ce studio avec vous, Madame Nafisa Sani, pour finir, pour finir vraiment quel appel aux autres filles, femmes qui hésitent toujours à intégrer l'armée. Quel est votre appel De ne pas hésiter. Hein. Et puis au niveau de, du corps de la garde aussi, il faut sensibiliser, il faut encourager, faire les séminaires pour sensibiliser. Mhm. Pour sensibiliser effectivement les gens sur les femmes, surtout les femmes sur les métiers. Mhm. Mhm. encore de revoir les textes législatifs dans le cadre du recrutement. Rehausser les quotas encore pour que ça soit plus les 2% dont vous portez. oui, continuez. Oui, c'est ça. Et laisser encore les, les stagiaires, les femmes euh, qui ont des enfants, il faut les laisser souvent quitter le lieu de stage pour qu'elles partent à l'été leurs enfants. Le responsable est là. le responsable est là, il <laughs> entend effectivement. D'accord. Et donc, euh, <laughs> M. le commandant Bouchard, votre mot de faire rapidement, nous sommes à la fin. Bon, vraiment, je, suis trop content. Mhm. Et un dans la sous-région, c'est quelqu'un qui respecte beaucoup la femme. Mhm, mhm, Et la femme nigérienne, quand vous sortez, euh, vous trouvez que vraiment on a une sœur honorable. Elle s'occupe de l'entretien de la maison, du repas, de la santé des enfants, des parents. Donc vraiment ça, ça, ça nous intéresse beaucoup. Merci à vous donc, euh, chers invités, d'être euh, venus. En conclusion, nous pouvons dire que la présence des femmes dans les forces de défense euh, et de sécurité intérieure constitue une nécessité et un besoin réel et l'effectif doit être renforcé pour une meilleure participation de ces femmes dans les prises de décision. C'est donc la fin de cette émission. Nous remercions envers nos invités le commandant Boujar Aboukari de la garde nationale. Merci d'être venu. Madame la commissaire Mariam Fanami était restée au bout de la ligne. Merci à elle. Et Madame Nafissa Sani, elle est garde nationale Merci à vous également. À la présentation, c'était Nafis Adam Sirfo. À la technique, c'était Issa Kalawali. Et à la régie vidéo, Mustapha Ayouba. À très bientôt pour une nouvelle thématique sur le studio Kalongo.